Sénégal, bonjour. Retour et eh bien retour sur la supposée crise financière avec tribune Quotidien ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut en tout cas lire Diomaye, et eh bien promet, promet le meilleur. Son ministre, et eh son ministre des Finances prédit le pire. Ou le bog, sommes-nous tentés de dire, que de tenir au sujet justement de cette actualité. Sinon, ce que nous livre, et bien livre, tribune quotidienne, comprenez, et bien comprenez, chèque Diba, et bien chèque Diba, pris en flagrant délit, et bien en flagrant délit de Dup Dipi et de Dipi de Loukaweti. En tout cas, chèque Diba, chèque Diba avait pourtant, avait pourtant préparé, et bien préparé préparer et boucler le budget de 7003,6 milliards laissé, et eh bien, laissé par Macky Sall. Et c'est ce même cher Diba, ce même cher Diba qui vient dire que oui, ça ne sent pas bon. Oui, l'ambaye dino ouais Oui, ngapati ngoroli. Oui, tchaf dino En tout cas, et eh bien, en tout cas, Jomai, et eh bien, Jomai promet, et bien, promet le meilleur. Son ministre, son ministre des Finances prédit, et bien, prédit le pire. Voilà ce qu'on peut lire, et bien, voilà ce qu'on peut lire dans le tribune quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, toujours. Pour ceux qui relèvent, eh pour ceux qui relève de la supposée baisse, baisse du prix de la baguette de pain. De nous apprendre, eh de nous apprendre que le président, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal, dément Limba le Bon, Wolf quotidien, Wolf quotidien pour ça part, pour ça part Au chapitre de la baisse, de la baisse des prix des denrées et du loyer, de parler, et eh bien de parler de faible, et eh de faible marge de manœuvre de l'État. Et en l'État, et et en l'État, retenons en tout cas ce que a de retenir autour, et bien autour justement de cette actualité, comprenez, fiscalité et subvention, c'est le levier, et bien c'est le levier incontournable incontournable pour un lendemain meilleur. Et la meilleure, et eh bien la meilleure dans cette histoire est à lire, et eh bien est à lire dans Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal, et eh bien le journal d'accrocher, bien d'accrocher Mayassine Kamara, statisticien, économiste, bien économiste de son état, qui considère à plus de titres qu'au Sénégal, et bien qu'au Sénégal, tout a été dit, et bien tout a été dit et rien n'a été fait. En d'autres termes, tout est une question, et bien tout est une question de Mbele Mbele, de Ngapati Ngololi et de Sabatangay Akmademba, d'après en tout cas, et d'après en tout cas Mayassine Kamara économiste de son État, dans Vox Populi ce matin. Ce matin, l'autre journal, l'autre journal qui parle de lutte, et eh bien de lutte contre la vie chère et de la tension de trésorerie, c'est l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de retenir et faire retenir le ratio, le ratio de sacrifice, en tout cas la contraction, la contraction des prix, les dépenses fiscales indésirables et les risques, eh bien, et les risques de plomber, et eh bien, de plomber les finances publiques et ce que rend public, et eh bien, ce que rend public le point actuel gravite, eh bien, gravite autour des lettres, des lettres Jobay Faye et où Ousmane Sonko, des lettres de Jobai Faye et Ousmane Sonko aux fonctionnaires. Et là, et là, et là, il s'agit, eh bien, il s'agit d'une interrogation, eh bien, d'une interrogation courbe Faye et Mbolde à savoir Lettre complémentaire... ou lettre discordante... Bon, retenons tout simplement et tout bonnement que Jobai eh bien, dans une tonalité intime, imprime, eh bien, imprime à son courrier une allure de négociation. Sonko, patron de l'administration, camp, eh camp dans l'injonction. On est où là C'est l'interrogation qui s'imposerait également d'après, eh ben d'après le point actuel qui renseigne fut délibéré ou involontaire des deux lettres. En tout cas, eh bien, en tout cas, et Sonko sur la ligne du Jubel Djoubel, Eh bien, cependant, l'interrogation, eh bien, l'interrogation qui s'imposerait autour, eh autour de Seb Taral, au sommet de l'État. D'après le point actuel, c'est de savoir si, eh bien, si les lettres de Jomai et Sonko aux fonctionnaires sont-elles complémentaires ou discordantes. Toui. À propos des toui, toui, toui, il y a tribune quotidienne, eh bien, il y a tribune quotidienne qui revient en long et en large sur l'État, l'État des finances publiques. En tout 15 000 milliards, 15 milliards de dettes, le gouvernement, et eh bien, le gouvernement du président Diomaye a-t-il, et eh bien, a-t-il les capacités fiscales pour mobiliser ces ressources C'est l'interrogation, et eh bien, c'est l'interrogation de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, dans le journal, il est question, et bien, il est question des pistes de solutions de l'économiste Maïssa Babou. Et pendant ce temps, pendant ce temps, Tribune quotidienne, et bien, Tribune quotidienne nous amène où Mais à Cafrine. Pourquoi faire Et bien, pour nous dire que des paysans, des paysans issus des neuf régions, et bien, des neuf régions étalent, et bien, étalent leur doléance au régime. Et c'est à plein régime, et eh bien à plein régime que tourne et eh bien tourne. Tribune quotidienne, histoire de nous apprendre sous la houlette, et eh bien sous la houlette de l'organisation paysanne Arsouniou Momel. Des centaines, et bien des centaines de paysans issus des neuf régions du Sénégal se sont donné rendez-vous à Kafrine pour lister, lister leurs doléances au tout nouveau, et bien au tout nouveau régime de Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, la reconstitution du capital semencier, l'accessibilité des semences et de l'engrais, la limitation, et bien la limitation des impacts de l'agrobusiness sur la l'agriculture, la coexistence pacifique entre, eh entre éleveurs et paysans, l'adaptation, l'adaptation des variétés en zone de concentration, en zone de concentration et climatique, la dissolution du Sénat sont entre autres, eh entre autres ce que disent attendre, eh disent attendre ces braves paysans des nouvelles autorités sénégalaises sous la houlette, sous la houlette de l'organisation paysanne dénommée Al Momel explique en tout cas, explique en tout cas Tribune quotidienne dans ses colonnes. Le président Diomaye, le président Diomaye qui aura un intérêt particulier de ces particuliers à lire l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, le journal parle de recrutement abusif, recrutement yamener, gestion calamiteuse de chez calamiteuse, pour ne pas dire gestion carabinée de chez carabinée. Mamour Diallo, et eh bien Mamour Diallo, sommet Raking Tataf Taf et Johnny Johnny, eh bien, et Johnny Johnny, de quitter, eh bien, de quitter l'ONAS sans délai. En tout cas, monsieur le DG de l'ONAS, Mamour Diallo en question, est en passe, eh bien, est en passe de recevoir, eh bien, de recevoir le 45, eh bien, le 45 du président Jomai Faye, là où ça fait très très mal au regard, eh au regard de l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que Ndeketeyo, Ndeketeyo Sawai, eh bien, Sawai, Mamour Diallo, Mamour Diallo a été pris en flagrant délit de recrutement abusif et de gestion carabinée de chez carabinée de l'Office national de l'assainissement du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le mandat continue de nous parler de Dakar Debdik, eh de Dakar en panne totale, pour ne pas dire globale, d'émergence. En tout cas, eh en tout cas, les réclamations des syndicats de l'U3D, de l'U3D aux autres pour une bouée de sauvetage, j'avais eh une bouée de sauvetage de Dakar renseigne en tout cas, et eh bien, renseigne en tout cas le mandat quotidien ce matin. et eh bien, ce matin, il y a Vox Populi, il y a Vox Populi qui parle, et qui parle d'attaque, et bien, d'attaque contre le directeur, le directeur de l'AIBDSA. Et là, et là, et là, les défenseurs, et bien, la défenseur de Abdoulaye Gueye ou le Damel, le Damel du Cayor dénonce, et bien, dénonce une sourdine cabale, pour ne pas dire dénonce, et bien, dénonce un chantage de la pire espèce. En tout cas, Abdoulaye Gueye ou le Damel du Cayor aurait pu lui-même monter sur ses grands chevaux afin d'apporter une réplique cinglante aux attaques tous azimuts de ses contempteurs. Dieu sait, Dieu sait qu'il a les prédispositions pour les réduire et eh réduire à leur plus simple expression. Parce que tout simplement, et eh bien tout simplement, il a en bandoulière, et eh bien en bandoulière, la vérité. Ses propos, et ses propos émanent du collectif, et bien du collectif des défenseurs du directeur général de l'aéroport international. Blaise Diane de Gas informe Vox Populi ce matin. Information que nous livre également le point actuel, le journal de parler d'attaques, d'attaques récurrentes contre, et contre Abdoulaye Gueye ainsi. Il s'agit, eh bien, il s'agit là des dessous, eh bien, des dessous d'une sourdine, sourdine cabale, eh bien, cabale, contre un patriote, eh bien, un patriote dans l'âme. Et ce n'est pas avec la paix de l'âme que Adi Mergad Kanouté se prononce dans le point actuel ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de noter, ancien ministre interdit de voyager avec des passeports diplomatiques, le ras-le-bol, eh bien, le ras-le-bol de la députée Adi Mergad Kanouté. Eh bien, ce matin, l'autre journal, l'autre journal qui en parle, c'est le mandat quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer confiscation, eh bien, confiscation des passeports diplomatiques. Les ministres de Macky et eh bien les ministres de Makissal cherchent visa et par la force, par la force dans les même s'il est dit Mbam Gatne, et eh bien Mbam Gatne. Ouais, ici, Djurgi le Bok. Retenons en tout cas le titre, et eh bien le titre de Fox Populi. Le journal de révéler passeport diplomatique, sauf, et bien sauf disposition, disposition contraire prise par le président Jomai Faye, les anciens ministres et secrétaires d'État et leurs conjoints, et bien et leurs conjoints y ont droit depuis, et bien depuis le 28 mars 2024 à lire justement à ce sujet les termes du décret numéro 2024-843 signé et eh signé à cette date et eh à cette date par le président Macky Sall. En attendant, passons à Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal et eh bien le journal de parler de la presse et bien de la presse sénégalaise aujourd'hui endeuillée. Et là, il s'agit et bien il s'agit du rappel à Dieu, du rappel à Dieu du doyen Mbaye Sidi Et là, le journal du groupe des médias de considérer à plus d'un titre qu'il est question et bien qu'il est question d'un géant qui tombe plume à la main. Et là, mais là, tu donc, mais là, tu donc es Faut Bon, que Dieu préserve le Sénégal. dikkati naa loo ci mën ci dégg it coalition Diomaye président day ma ngay doxal nam ko safee ci réew mi laaj ba sut ko du ñee mel ni lu xëyee tey jii mooy ku leen di teree doxal wala ndax dafa am ay xal yoo xam ne ca la opposition bi tëb daal di daal dese na ko géneenu tëb ca benn côté moom bennoo ku leen di jiite mooy coow la waxtu woowu yeewi askan wi ma ngay xool nees def ba daal di boole critique yéen kaay naan koon président Macky Sall yàq na te fi mu ne a jaaraat ca ginnaaw defar bi naan kon ci ndorteel lek am na gré à gré boo ne marché yaa neex la lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards ci sunu koppar ngir usine boo xam ne day gindi xorom gi nekk ci ndoxu géej gi fexe ba askan wi di ko naan lobs naan kon waxtu woow ña nga naan président Diomaye gaayam ci gouvernement gi na njëg li wàññeeku waxtu woow coowal koppar am na ci gafay turbine yéene kaay naan déet moom président Diomaye kay dafa ni sénégalais yi toog leen rek ngeen di tekk lay ñëw sunu kanam moo dàq sénégal gu neex teex-teex may ree leen dik waxtu woowu ministre bi nga xam ne moom lañ dénk ay kopparam ma ngay xam nii dalul xel ci senegal goo xam ne nar naa miti walla moo ne day waxtu wam koy wax tribune yéen kaay naan koon Cheikh Diba daal dinay boucler ab budget boo xam ne ëpp na juróom-ñaari téeméeri junniy milliards yoo xam ne Sall bàyyi na ko fi laaj wa mooy ndax loolee ñu wax ne loolu la toll noonee la toll yéen kaay bi naan maan ñu ne déetawaay lu toll ci fukki junni ak juróom ci ay milliards ay bor ñu daal di ko yore te gouvernement bu président Macky Sall moo ko fi bàyyi moom gouvernement bu jomaay gii ndax am na ay feem ci wàllu fiscalité yoo xam ne dina mën a tax dajale fukki milliards ak juróom fay bor yi nga xam ne Sénégal amee na ko bitim réew may sa baabu naan koon solution mënu caa ñàkk Le jee Le Quotidien naan koon ministre de l'environnement bu yees bi Daouda Ngom daal dinay génn ay kàddoom naan koon mënees naa développé am réew te doo ko polluer waaye coow li coow li mooy coowal juróom ñeen fukki milliards ak ñeent yi waaye tam fond Covid 19 bi dees na ko leeral ci réew mi ma ngay leeral nag naan ci mbokk ga ñuy wax naan ko bokk ak Ousmane Sonko ba tax ñu fal ko du dëgg tribune yéen a naan kon waxtu woowu force vive interpellé président Diomaye ci seen i bëgg-bëgg bi kon kaulak dara baxu fa dara doxu fa alalu askanu Kaolack ak seni souf ñang koy jël ci anam woo xamne jaarul yoon ma nga nan kon djub ak jubbanti nga wote yow président Diomaye faaw na nga saytu si kaulak ak ku yorinam waxtu woowu l'évidence yene kay nan man ci ONAS gaay ya nga nan na Mamour Diallo able dar dar digënté recrutement yo xamne ma ngi koy def te jaarul yoon waye tam yorin go xamne dal dina jéggi dayo wala na Mamour able ci waxtu wa nga xamni wa Dakar dem dik ñay sal sar seen yorinug njiit di rafetlu yorinug Ousmane Sylla diggante modernisation service yeeg charge yi nga xam ne wàññi nañ ko waaye itam recette yi nga xam ne maar day yi nga xam ne war nañ ci soobu mooy daal di sàllal ñu ko jëm ci fonction publique daal di lëkkale Dakar dem dikk ak BRT mu daal di nekk SNTC waaye tam daal di améliorer li nga xam ni mooy infrastructure yi El Assane Sall ci turbine yéene kaay naan kon loo ci mënti déggit moom président Diomaye gouvernement am fi mu ne ba nu la xel yi dal ndax nag réewum Sénégal réewum lijjanti la koy def ab réewum jubbanti réew moo xam ni dañ doon négocier lépp xam leen ni xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ba ñu wootee jub-jubal ak jubbanti la xel yi dal El Assane Sall naan leen commencé ca passeport diplomatique yi vox populi naan kon rigal foofu sa baaraam ma xamal la ni dooree ko ci 28 mars bii am nag décret boo xam ne président Macky Sall xaatim na ko bàyyi ko fi muy képp koo xam ne am ministre nga woon ba nekk too ko wala it ab secrétaire d'état ba nekk ko yow ak sa soxna da ngeen di am ay passeport diplomatique te kenn du ko dindi vox populi daal dina tere gii nga xam ne am na ci aéroport bi mbaadu nag moom président Diomaye dafa football décret boobee teg fi geneen El Assane ci tribune yéene kaay naan koon ma ñëw jalgati yaa nga ca passeport diplomatique ya ma nga ca certificat de nationalité ya ma nga ca certificat de mariage ya ma nga ca certificat de décès ya ma nga ca extrait de naissance ya ma nga ca permis de conduire ya ma nga ca visite technique ya ma nga ca diplôme ya ma nga sax ci sunu wot ci sunu yi kon président Diomaye bu wootee jub jubal ak jubanti day xel mën naa dal bi le jour naan kon fi mu appel à candidature le président Diomaye woote ngir kan mooy jiite OFNAC corps de contrôle nekk nag lañ bëgg contrôler ngir seen liggéey jaar yoon diggante dossier ca OFNAC cour des comptes ak parquet financier bi yéeni kaay bi naan man diggante parquet financier bi ak OFNAC mbaa duñ bokkub liggéey en tout cas Serigne Saliou Gueye kaala ngir Sonko waaye nag mënu koo lijjante tànk saye lu ñu OFNAC Vox Populi jox kàddu mu Ndiaye Cissé secrétaire exécutif bu ONG 3D mu ne jub jubal ak jubbanti war ta nekk ab slogan dong dafa war a doon loo xam dañ ko war a jëfee ci réew mi waaye nag mu war a bañ a am kumba am nday kumba amul nday rax ci dolli nga jëlee fi o conseil collectivité territoriale ak conseil économique social ak environnemental ndax askan wi ci boppam ñoo bëgg mu daal di fi jógee yéen kaay bi naan maan coow la moom mooy ñen ñoo fi bëgg jëlee Abdoulaye Dieye bu AIBD moom Vox Populi naan maan xeer yi de ma ngi koy dalee fu ne saa bu yeewoo moom Abdoulaye Dieye ak dossier gu yees goo xam ne tegal nañ ko ko at ci ginnaaw la ko président Macky Sall faloon boobaak léegi muy jéem a jubbanti aéroport keroog ba nga xam ne changé nañu ab nguur keroog da xeer yi tàmbalee dal Abdoulaye Dieye mu mel ni nag dafa am ñoo xam ne dañu bëgg ñu jële ko fi daar daar mu dem nuppalu te coow li coow li moom moo di lu ne fàng dee su ko jeex résultat yaa ngi ndax ku dem aéroport xam ne dëgg-dëgg ay coppite am na fa laaj ba samp kay moom moo di lan moo nekk ci ginnaaw coow yi nga xam ne daal dinay bari lool ci ndoddam 24 heures yéen a kaay jox kàddu professeur Amath Ndiaye mu ne dara faw ñu defaat constitution bu yees bu réewum Sénégal ndax nag suñuy institution ci boppam dañu koo daal di dëgër ga ñu dëgëroon ba mën a taxaw ci kanamu askan wi di wax ba acam duñ ko moom moo tax Sénégal ne jomm ba tey di ma nga doore sage ba ñu ne président Macky Sall déet ba tey jii ñu ne coowu Bassirou Diomaye Faye ca pale ba diggante askan woo xam ne dafa bëggub démocratie ànd ci ak société civile conseil constitutionnel boo xam ne fa mu taxaw jógu fa ci ne république bi du daanu pression internationale bi nga xam ne tegu na sunu kaw armée boo xam ne professionnel na ba maar day taali waaye tam président Macky moo xam ne ba deltu ginnaaw jotee def koo def lii tax Sénégal daal di àgg fa mu àgg tey ko l'enquête jee naan kon boobu dee ci dëkk yi nga xam ne wër nañu liberté yi day ña ngi koy salfaañe ba mar day taali takk der yi nga xam ne ñoo fa jël ay nguur ñu ngi wan seenug réew mar day taali du mu yaa ngay tëj internet ak di wër guinéen ya koy saaka fu nekk ci àdduna nga këpp di andi Assimi Goïta activité politique du amati ca Mali ca Burkina ña ngay jël opposant di leen yóbbu par force ca xeex gaa yëpp ngi daw nag di ñëw fii ci Ndakaaru daw làqu direct news naan maan parti démocratique sénégalais lu waral bokkul ci gouvernement gi de tey laa la koy xamal xam nga bañ demee ci élection législative yi yeewee walu dañoo bokkoon ab coalition ba am juróom-ñett fukk ci ay député waaye naka ñu ñuy sarax ca assemblée nationale wallu tàmbalee teg xel keroog ba ñuy wote motion censure PM moom walu daf caa démarqué wu mel ni ku jam ci ginnaaw yeewi askan wi ci assemblée nationale bëri na kaa yoo xam ni yeewee cay nekk walu bàyyeekoog moom moom parti démocratique sénégalais googu nag war ga mu waroon yeewi mbaaru tey moom lay fal keroog Karim bañ ko laajee ñan la bëgg ñu dugal ci gouvernement gi waa génération di concret la joxe seen i tur diggante Saliou Dieng Nafi Diallo ak Mayoro Faye ak Abdoulaye Racine Kane moom Ousmane ko ne ko du ca dal gouvernement goo xam ne ay kàngam la ñu bëgg ndax nag changement daar daar la ñu bëgg ci bopp réewum Sénégal l'observateur nan kon tey laa lay xamal Diomaye fay keroog ba mu nekkee ca kaso laataa muy tàbbi pale ca kooru daaw naka la daan dundee diggante beñe ak bonbon ya mu daan xëddee waaye tam teex teex may ree ak liir gi nga xam ne moom Diomaye mësta tàqalikoo ak moom mag lu mën a mbokk ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm